le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Bienvenue à tous dans le Forum de la presse de ce vendredi 20 décembre 2019. Le Forum de la presse, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du Forum de la presse euh, d'aujourd'hui, sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Niamey le dimanche 15 décembre 2019 dernier, une rencontre des chefs d'État des pays membres après le drame d'Inates où des dizaines de soldats nigériens ont été tués. L'organisation de Tilaberi Chandalo qui commémorait mercredi dernier la proclamation de la République du Niger du 18 décembre 1958. À suivre les commentaires et analyses de nos confrères à propos de la fête de cette année. Enfin, le vote de la loi des finances 2020 intervenu le jeudi 12 décembre passé, nous verrons avec nos invités quelles sont les particularités de cette loi par rapport aux précédentes. Pour en discuter, nous recevons nos confrères Gary Amadou, journaliste du quotidien La Nation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Elal Suleiman Mahamadou, journaliste du journal en ligne Niger Inter. Elal Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste de la radio alternative, au téléphone avec nous. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre Memouna Diado, rédactrice en chef de la radio et télévision Tambara. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation. Mesdames et messieurs, nous débutons ce forum par la rencontre d'urgence organisée par les cinq chefs d'État des pays membres du G5 Sahel à Niamey. Le dimanche 15 décembre dernier, les cinq chefs d'État ont décidé de renforcer leur coopération après l'attaque du camp militaire d'Inates au Niger le 10 décembre et ont appelé à un plus grand appui de la communauté internationale face à la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution du président du Nigérien Issoufou Mahamadou en cette occasion. Tout en s'attaquant à nos troupes, les terroristes euh, s'attaquent parallèlement à nos alliances. Ils s'activent euh, à trouver des relais au sein des populations pour dénoncer la présence des troupes alliées à nos côtés, ceux qui jouent leur jeu de manière consciente ou inconsciente. Ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent euh, les défaire, font pire qu'attaquer nos troupes. Voilà le président Issoufou Mamadou à l'occasion de la rencontre d'urgence des cinq chefs d'État du G5 Sahel. Je commence par vous, Elhaj Suleiman Mamadou, du journal en ligne Niger Inter. Peut-on dire que ces propos du président Issouf Mamadou sont des réponses à ceux qui dénoncent la présence militaire française au Sahel, mais aussi une réponse claire au, président français Qu'en pensez-vous Bon, euh, on a suivi la réaction des uns et des autres euh, à travers les réseaux sociaux et à travers les médias classiques. Euh, c'est un débat qui est là. Je pense que le président aussi a écouté tout ce qui se dit, tout ce qui se dit et se rendu compte que les gens sont en train de d'interpréter une situation et créer, aggraver la situation, j'allais dire. Aggraver au sens où, en focalisant euh, leur, la communication sur euh, la France, sur la coopération militaire, les bases militaires, notamment les France. D'aucuns sont allés jusqu'à dire que c'est la France même en réalité qui allait frapper le Niger. Donc le, président, le président de la République, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme qui est censé être le plus renseigné pour le pays, qui est en tout cas censé porter la stratégie militaire du Niger. Par conséquent, il a essayé véritablement de faire un, une réponse dans le sens de dire attention, attention, ce que vous faites est dangereux pour le, pour le, pour le pays. Parce que c'est quoi euh, Quand j'ai dit le président est renseigné, aujourd'hui, nous le savons, en tout cas à travers les euh, informations qu'on a essayé d'avoir, euh, le Mali risque effectivement euh, de perdre ses positions importantes. Ce qui est passé, si justement on y prend garde, s'il y aura peut-être pas une intervention internationale, aussi, exactement effectivement on s'organise pas au niveau des 5 en tout cas, pour sauver le Mali, déjà l'État, le Mali a perdu beaucoup de positions. Et, et, vous avez vu le retrait récent de, de, de, de, l'armée malienne. Hmm. C'est une occasion justement pour vraiment le, libre et ça doit nous gêner en tant que Nigériens. Parce que le retrait de, la frontière Labzanga, vous voulez hmm. Maintenant, en venant ici aussi attaquer le poste euh, avancé d'Inates, c'est véritablement aussi chercher à ce que l'armée du se, se, replie. se, mm. Donc, la vérité, c'est que lorsque le terroriste, en tout cas, on le sait aussi, c'est une constante, il demande pas autre chose que le départ des bases militaires. Les, en tout cas, donc maintenant, vouloir effectivement faire euh, coïncider la demande des terroristes avec celle des, citoyens, donc le président, en tout cas, qui sait, qui voit le danger, moi je dis aujourd'hui, le Barkhane quitte le Mali quitte en tout cas euh, une semaine, vous allez voir ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, ils vont prendre le Mali. Et je vous assure qu'on ne va pas échapper aussi au niveau du Niger. Donc, de ce point de vue, je dis que oui, ce que le président a dit a frustré des citoyens, mais je pense que le, président a mis en avant la responsabilité qui est la sienne, mm. parce qu'il maîtrise la situation. Mm. Il a, en tout cas, qu'on le veuille ou non, il c'est un stratège, en tout cas, en matière de sécurité. Il sait justement ce qu'il fait. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça, ça, ça avait choqué, en tout cas, certains citoyens. Mais je pense qu'un homme d'État doit être plus responsable, en tout cas, que de céder au fantasme, en tout cas, des gens qui pensent que, n'ont pas vraiment la mesure de la situation. Garé Amadou, Garé Amadou, on sait qu'il y avait cette rencontre de Pau euh, euh, en France qui a été reportée après, en tout cas, les événements d'Inates et qui devait permettre justement aux, chefs, aux cinq chefs d'État du G5 Sahel, en tout cas, d'échanger avec la France par rapport à la présence notamment euh, des militaires français. Et cette réponse, en tout cas, ces, propos du président donnent déjà une, un avant goût, en tout cas de, en quelque sorte, de, ce qui pourrait sortir de, ces échanges de peau. Oui, c'est clair que euh, euh, les conclusions du sommet du G5 Sahel sont quelque part, en tout cas, des signaux qui permettent de savoir ce qui va se passer le 13 janvier prochain au niveau de Pau concernant euh, la rencontre entre le, président français et les, les dirigeants du G5 Sahel. cela dit, il faut bien comprendre qu'après les événements d'Inates, il y avait deux sentiments qui animaient l'opinion. Il y avait d'abord euh, la surprise, trois sentiments, la surprise, l'effroi et l'indignation. L'indignation parce que ce matin, je suivais le reporter de, France 24 qui était venu, qui a interviewé le président de la République. Mm. L'interview va passer, a, passé certainement hier. Mm. Donc, euh, et, dans cette interview-là, le, président aussi, quelque part, quand on lit entre les lignes, il y a des attentes je crois que le sommet du G5 Sahel qui s'est déroulé à Niamey, mm. quelque part des attentes ont été exprimées. Moi, la lecture que je fais, mm. c'est que quelque part, les chefs d'État du G5 Sahel ont relevé les insuffisances. Parce que le président a dit dans l'interview de TB5 que si on ne fait pas attention, si le terrorisme euh, s'épanouit, il, en tout cas, il se, gagne du voilà, terrain. il gagne du terrain. Mm. Eh bien, non seulement le Sahel sera menacé, mais ce que cette menace va arriver au niveau des États européens et de la France. Donc, en fait, c'est l'émotion qui fait que les gens se sont exprimés à travers les réseaux sociaux pour demander le départ des forces françaises. Mais un président de la République, il ne réagit pas avec l'émotion. Il réagit d'abord avec la raison, avec l'analyse, comme l'a dit Suleiman. Donc, il a tous les paramètres, comme l'a dit Suleiman, il a toutes les informations. Lui, ce n'est pas l'émotion. L'émotion du, citoyen, elle est compréhensible. Hein. Mais lui, c'est d'abord la raison qu'il doit, doit mettre en avant. Et ce que cela fait, il a mis en avant. En réalité, ce que les gens cherchent, c'est l'efficacité des troupes étrangères au Niger. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est Ce n'est pas qu'en réalité, les gens veulent coûte que coûte le départ. Parce que, comme l'a dit Suleiman, je vous assure que le départ, par exemple, si la France n'avait pas intervenu lors de l'opération Serval, le Mali serait tombé. C'est connu. C'est vrai. C'est une intervention mythique, figue mi-raisin. Puisque euh, Kidal a été épargné, n'est-ce pas Et Kidal est devenu, quoi qu'on dise, euh, le nid pratiquement de, en tout cas, de, de, connivence avec les terroristes. Parce que, ce que je rappelle, selon les informations qu'on a eues, lors de l'attaque d'Agando, des éléments du HCIA ont été tués parmi les terroristes. L'attaque d'Agando, la quelques jours avant, Oui, quelques jours avant celle d'Inates. Pratiquement le 9 même. Le 9, voilà. Voilà, pratiquement la veille. Donc, ce qui veut dire quoi En réalité, les troupes étrangères là, elles sont importantes. Il s'agit tout simplement de redéfinir. Et pour moi, le sommet du G5 Sahel là, quelque part, c'est les bases et celui qui, qui, va se dérouler à peau. Ce sont les bases qui vont permettre de redéfinir. Mais j'aimerais ajouter un petit mot euh, à la pour, que, montrer que, en réalité, les forces françaises sont en train de mener des opérations. C'est vrai, ils ne font pas beaucoup de communication mm. extrêmement importante. Vous vous rappelez, il y a une photo d'une réunion de djihadistes là. Ils font de la dissuasion ou quoi Non, ce n'est pas de la dissuasion. Il y a une réunion au cours de laquelle eh, une photo célèbre là où on a monté des chefs djihadistes qui étaient en réunion. Mm. Au moins cinq chefs ou six chefs djihadistes. Est-ce que vous savez que sur les six là, L'opération Barkhane a éliminé trois. Il y avait d'abord Ali Maïchou, le Marocain, mm. n'est-ce pas Il y avait, euh, comment on appelle, euh, euh, Jamel Okacha, l'Algérien, mm. qui était à cette réunion, qui a été éliminé par les forces françaises. Des opérations ciblées. Ça veut dire quoi Maintenant, nous allons donner la, parole à celui qui nous attend au téléphone. oui, finissez, finissez. ce que, je veux dire, c'est que vraiment, la, présence étrangère est dissuasive. Les terroristes veulent qu'ils quittent parce que s'il quitte, vraiment, cela donnera le, champ libre. C'est le champ libre, hmm. bien sûr. Alors, Hassan Boukar, vous êtes avec nous Oui. Quelle est la lecture que vous, vous faites, euh, en tout cas, de, de, l'interpellation du président Issoufou dans cette allocution Merci beaucoup, Merci. À, euh, euh, bonsoir à Garé, bonsoir à Laïs Suleiman. moi, je peux comprendre une chose. moi, je ne m'attends pas à ce que le président de la République dise Aller euh, foutre les camps à l'armée française ou à l'armée américaine. Euh, je m'attendais justement à ce qu'ils puissent défendre la présence de ces armées. Ça peut s'appeler la réelle politique, ça peut être une prise de position diplomatique, mais de là à laisser croire que la position des citoyens africains, euh, je dis africains parce que ce n'est pas seulement les gens du Niger, euh, la situation des citoyens africains qui critiquent la présence de ces armées, en laissant croire que cette coalition été suscitée par les terroristes, je pense que le président français n'aime pas et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense que ce que les citoyens disent aujourd'hui sur ces bases militaires qui sont installées, c'est quand même de l'incompréhension. C'est beaucoup plus de l'interrogation chez, certains. D'abord, euh, lorsque les bases militaires se sont installées, un peu partout, les gens, en particulier au Niger, les gens ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils ne soutiennent pas ces bases. Je pense qu'il y a des études, y compris des International Crisis Group, qui montre que même les hommes, euh, les hommes en tenue, les, FDS, ne souhaitaient pas beaucoup la présence de ces bases militaires. Quelle était la position du gouvernement Il a défendu en disant que ces hommes sont nos yeux, nos oreilles. C'est euh, expression pour dire, sans ces bases militaires et leurs capacité techniques, on n'est pas capable de voir les choses arriver. Sans leur position, on n'est pas capable d'entendre les choses. Et du coup, sans eux, nous sommes pratiquement presque incapables de défendre nos territoires. Et alors aujourd'hui, on a et les bases et les drames. On a et les bases et les morts par dizaines. Et du coup, pour les citoyens, alors, ils disent, mais alors, ces gens-là, vous, vous, avez défendu leur présence en laissant croire qu'ils sont là pour nous défendre et faire en sorte que les terroristes ne puissent pas prendre le dessus sur nos armées. Mais ils sont là avec une capacité euh, autour de laquelle ils font beaucoup de publicité. Ils quadrillent carrément le ciel sahélien avec leurs drones, avec leurs MiG, etc. Mais toute une armée euh, de 200, de 300, je pense que certains ont même 500 hommes, puisse se déplacer sur la frontière, une zone qui doit être sous, contrôle, sous surveillance, puisque tout le monde sait ce qui se passe dans de la frontière entre le Mali et le Niger, que presque 500 hommes, donc toute une armée, puisse se déplacer tranquille venir euh, pendant trois heures de temps perpétuer les crimes qu'ils ont commis avec plus de 70 mois et rentrer tranquille. les citoyens s'interrogent. Et donc, que le président de la République considère que euh, nos armées ne sont peut-être pas suffisamment capables de défendre nos territoires sans les bases étrangères, ok, c'est sa position, mais laisser croire que la position des citoyens qui s'expriment au Burkina, au Niger, au Mali, un peu partout sur les interrogations qu'on a vis-à-vis de ces bases militaires, laisser croire que c'est suscité par les terroristes, je pense que le président se trompe carrément de débat. Et euh, les citoyens, je pense qu'ils ont vraiment euh, raison de dire, mais alors ces gens-là on n'a pas encore vu leur plus-value. Alors, quelle, est votre conclusion, par, quelle est votre analyse par rapport aux conclusions de cette rencontre d'urgence euh, du dimanche dernier je, pense que dire euh, euh, qu'on a besoin de mutualiser les efforts des pays africains d'abord, puisque aujourd'hui on voit le Mali, on voit le Niger, on voit le Burkina, il euh, ne faut pas que les Ivoiriens dorment sur leur laurier, il ne faut pas que les Togolais et Béninois disent ce n'est pas encore arrivé chez nous. Il faut bien qu'au sein de l'IOMA, au sein de la CDAO, que ces armées puissent mutualiser leurs efforts du point de vue des renseignements, du point de vue des attaques qu'ils peuvent mener contre ces groupes terroristes, etc. Je suis entièrement d'accord de ce point de vue. Maintenant, qu'ils considèrent que oh, nous n'avons pas atteint le niveau où nous pouvons passer de ces bases militaires, de ces puissances occidentales, eh bien, il faut aussi qu'ils soient capables de discuter avec ces armées pour que leur présence puisse servir à quelque chose. Alors, dès lors que ces gens-là sont là, on dit ils sont là pour nous défendre, mais on, ne le voit pas de façon claire. Et donc, les gens disent alors, s'ils sont là, c'est bien pour autre chose. C'est le discours qu'on entend aujourd'hui au Sahel. L'idée selon laquelle, eh bien, s'ils sont là, dès lors qu'il ne faut rien, pour appuyer véritablement les, armées africaines, eh bien, il y a des intérêts qui ne disent pas leur nom pour lesquels ces gens-là sont là. Donc, euh, dans les conclusions, si les chefs d'État, c'est quand même eux qui prennent les décisions, s'ils considèrent qu'à l'avance, ils répondent au président Macron pour dire à Pau, on va te dire oui pour que les armées arrivent, eh bien, c'est leur choix. Mais je pense qu'ils auront du mal à empêcher les critiques des citoyens. Vous avez des morts, hein, il s'agit des vies humaines, donc les enjeux sont pas revenir au studio pour donner la, euh, pour euh, quelques réactions. Euh, Mahamadou. Je voudrais préciser que lorsque Hassan dit que le président voudrait dire que c'est les terroristes qui ont suscité la position des Nigériens des citoyens nigériens, je pense que c'est un peu euh, abusif mais plutôt, je pense le président que, laissait euh, croire que, les gens sont en train de jouer le jeu des terroristes. Euh, non, non, non. Il, dit que c'est le, président voudrait dire que c'est les terroristes qui ont suscité la position, la, position de non. Ce que je pense que j'ai compris mm. lors de la déclaration de, la majorité au pouvoir, mm. mm. c'est que ils parlent que quand vous défendez la même position que quelqu'un, vous, le mot, vous êtes son allié objectif. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous dire que euh, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, j'ai dit que, en fait, le terroriste euh, dès le départ, leur veut justement, se devoir le départ, justement, de ces forces, euh, de ces forces étrangères. Maintenant, la société civile, ou e, en tout cas les citoyens nigériens qui demandent ce départ-là, sur la base de leur analyse, ils pensent qu'il faut laisser, donc, l'armée, donc, nos armées, donc, se, défendre par elles-mêmes, effectivement, demandent ce départ. Donc, ils pensent qu'ici, il y a une certaine. Donc, quand on fait le parallèle, effectivement, mm qu'ils soient en train de faire le jeu d'une certaine façon des terroristes parce que c'est leur veut de voir effectivement ces bases partir. Parce que je, ce, que ce, que ce que moi je, je, pense, euh, la vérité, c'est une prétention qu'on a que bon, euh, nos armées. Mais en vérité, parce que vous savez ce, qui s'est passé. reconnaît bien qu'aujourd'hui, au niveau de, au niveau de, au niveau de, au niveau de, nos forces, au niveau de, Selon nos informations, il y a et bien un combat face à face. Hmm. Nos forces ont vu les gens venir, hmm. ils se sont préparés, mais à l'issue du combat, ils, se sont préparés, hmm. ils ont été plus forts que les que, Il faut le reconnaître, c'était un truc ciblé. Mais c'est dire que véritablement, aujourd'hui, on a besoin davantage, en tout cas, de renforcer les capacités de, de nos forces, de nous équiper. Et de ce point de vue, je, pense que véritablement cette question, cette question, du renseignement. en réalité aussi, quand ceux qui demandent le départ de ces bases là aussi, quand tu écoutes, tu vois qu'effectivement, on a désolé, nous allons, nous, allons, nous allons dépasser ce sujet parce que le temps ne <laughs> nous, attend pas, désolé. J'aimerais quand même dire euh, un, si vous un petit mot. quand même dire un petit mot. Vous savez, la colère des citoyens, mm. elle est légitime et elle a porté ses fruits. Vous avez vu, on dit que Macron arrive le 22. Dimanche, ce dimanche. Mais qu'est-ce, pourquoi il vient Il vient parce que, effectivement, il y a un sentiment de plus en plus fort au niveau de l'opinion qui veut que les troupes françaises quittent. Il vient pour arranger les affaires. Mm. Donc, quelque part, l'opinion. C'est vrai ce qu'Assam Boukard dit. Jusqu'à présent, il y a l'incompréhension. 500 hommes, selon RFI, qui ont, traversé la frontière pour venir attaquer Inates, il faut revoir la stratégie. Moi, je ne dis pas aux troupes de partir, je dis il faut revoir pour qu'elles soient plus efficaces. Voilà. Bien. Euh, nous passons au second sujet du forum de la presse euh, de ce soir, la fête tournante du 18 décembre qui commémore la proclamation de la République du Niger du 18 décembre 1958. Cette année, c'est au tour de la région de Tilaberi d'accueillir la fête tournante euh, dénommée cette fois-ci Tilaberi Chandalo. Cependant, comme vous le savez, hein, à cause du deuil observé suite au drame d'Inates, les activités activités culturelles et sportives parallèles ont été toutes annulées. Seul le défilé militaro-civil a été maintenu avec la présence à Tilaberi de deux chefs d'État, notamment euh, celui du Burkina Faso et euh, celui du Ghana. Alors, euh, il y a Maimouna Diado qui vient de nous rejoindre. Maimouna, bonsoir. bonsoir. Quelle est votre appréciation de l'édition de cette année Tilaberi Chandalo a-t-elle réussi Qu'est-ce que la ville et ses habitants ont dû gagner euh, ce que je pourrais dire euh, par rapport euh, à la fête tournante donc, du 18 décembre dont Tilabiri a accueilli les festivités, euh, je peux dire que ça a été une réussite parce que pourquoi ça a été une réussite parce que en fait il y a eu d'abord la compassion il fallait que le peuple nigérien soit solidaire envers la région de Tilabiri. Mmh. Ils l'ont montré, ils l'ont démontré en disant qu'ils vont annuler les festivités et c'était quelque chose vraiment qu'il fallait saluer. Mmh. Et de deux, il y a eu également des personnalités qui ont été décorées des personnalités qu'on a vues, qu'on ne s'attendait pas d'ailleurs que ces personnalités. C'est un aspect sur lequel nous allons revenir un peu plus tard. D'accord. La question de la euh, Quand on regarde au vu de la situation sécuritaire dans la zone, qu'il y ait le 18 décembre une fête comme cela, je pense que c'est à encourager. Et je me dis que le fait que le président de la République a décidé d'aller célébrer le 18 décembre, vaille que vaille à Tilaberi, ça montre sa détermination déjà à aller à l'encontre, donc à, poursuivre euh, le combat. Hmm. Donc, et ensuite, c'est pour ne pas montrer la terreur ou bien la peur que nous par les, nous citoyens, nous avons à l'endroit donc de ces terroristes. Donc il fallait véritablement ne rien faire que enlever les festivités là, parce que nous sommes en deuil, c'est vrai, mm. mais il faut continuer à célébrer euh, la fête tournante du 18 décembre. Est-ce que du point de vue euh, organisationnel ou en tout cas infrastructure, Comment vous trouvez la. Bon, euh, on ne peut dire que ça Cette est, édition euh, Cette édition Chandalo, c'est à peu près la même chose que les autres euh, fêtes tournantes parce que du point de vue équipement, c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est à 100% fini. Mm. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais quand même, c'est en, bon, bonne vue. Et je pense que également, du côté organisationnel, concernant les invités et autres, je pense que c'est également bien réussi parce que vous avez vu, si c'était pas bien réussi, n'aurait pas pu quand même avoir euh, la participation de deux présidents, à savoir le Burkina Faso et le Ghana, qui s'est déplacé pour venir. Elhaj Suleiman Mahamadou du journal Niger Inter, vous, vous avez même participé à cette célébration du 18 décembre. Quelle, est, quelle a été votre impression euh, Est-ce que finalement cette, cette fête euh, qui intervient en ce moment douloureux, comment vous avez trouvé cette fête en tout cas, j'étais de ceux qui, en tout cas, pensaient que reporter cela systématiquement pourrait justement faire le jeu de touristes, c'est-à-dire qu'ils ont empêché à un État de faire euh, ce qu'il fait, qu'il organise de manière euh, stratégique. Donc le faire justement, c'était braver justement, euh, comme elle l'a dit. Mm. Donc montrer qu'en tout cas, euh, l'État c'est l'État. Nous restons debout. L'État est absolument, l'État est debout. Mm. Donc euh, en termes vraiment de, de réalis réalisation, j'étais avant et maintenant à la fête. Mm. et je, je, je connais Telabéry en tout cas bien avant ces, réalisations. Franchement, celui qui connaît Telabéry avant et aujourd'hui, elle va voir que la ville a radicalement, euh, euh, en tout cas, elle est transformée radicalement. Mmh. C'est une commune mesures. Et en termes d'avantages, euh, vous allez voir, oui. a bénéficié d'un aéroport. Et c'est cet aéroport que d'aucuns ont, en, tout cas, critiqué, selon les, experts, en tout cas selon Hamassouli, il dit que les experts ont dit qu'ils étaient dans leur pipeline. Qu'est-ce qui s'est passé avant Quand il y a un problème de météo, on envoie l'avion saute à Ouaga, au Togo ou bien au Bénin ou bien à, Tawa lorsque la météo le permet. Hmm. Mais aujourd'hui, avec l'aéroport de Tilaberi, hier, il y a, je crois, des avions, en tout cas, c'est une activité intense des avions qui, descendaient à, à Tilaberi. C'est hmm. Donc, en tout cas, on a un avion à, Tilaberi. Si la météo le permet, justement, l'avion va aller plus proche, vous voyez, en termes de conséquences euh, donc, de sécurité. Hmm, Mais aussi, rapidement, les passagers, en, en une heure, deux heures ils sont déjà animés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Euh, c'est une réalisation, en tout cas, euh, euh, vraiment euh, structurante, en tout cas, à encourager. Hmm. Donc, c'est déjà un acquis. Au niveau de l'éclairage public, la, la, voirie, par exemple, pour la première fois, en tout cas, a maintenant un éclairage public vraiment digne de ce nom. Hmm. En tout cas, les populations témoignent que, franchement, avant, mais maintenant, vraiment, ils ont un éclairage public que ce soit la, tribune, le, stade, euh, la, la, maison de culture, ont été euh, rénovés, franchement c'est Des, en tout cas, ça permet. Et l'autre avantage, là, ils ont conçu, par exemple, c'est par exemple au niveau de la, de, la, tribune ou bien au niveau de la maison. En tout cas, ils ont conçu des cadres pour permettre à la mairie d'avoir des de, ressources. En quoi faisant, par exemple, en habitant des de, foires, ils ont fait donc des, standards vraiment bien élaborés pour permettre en tout cas de faire du commerce. Hum. L'autre aspect aussi, c'est au niveau de la, du, fleuve. Et je pense que c'est l'aspect le plus important quand vous avez suivi le, euh, le, de, de hum. Ils veulent justement euh, travailler au niveau du fleuve, donc la voie. Mais maintenant, vraiment, c'est quoi pour, par exemple, aider au niveau la, pêche et l'agriculture hum. Donc il y a un projet vraiment structurant, en tout cas, qui, parce que c'est un projet sur, trois ans. Imaginez, aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, les femmes mettre du, de la glace pour vendre le poisson, pour, mais euh, soit en train de construire, en tout cas, donc, des cadres vraiment modernes qui permettent de conserver et de, vendre ah, absolument, facilement. absolument. Gare Amadou Oui, il faut dire que moi, je tire mon chapeau euh, au président du comité, Thierry Richem de l'Oham Soleil, parce mm. que on a suivi un peu, euh, en tout cas, toutes les étapes du lancement des travaux jusqu'à l'aboutissement de ce qu'on a vu. Parce que moi, j'ai eu la chance. C'est vrai, j'étais pas à la fête le 10 décembre, mais le 9 mm. décembre, j'étais quand même à Tilaberi. Mm. J'ai un peu visité la ville. Je tire mon chapeau à mon soleil parce que le pari n'était pas gagné. Mm. Et franchement, quand vous arrivez à Tilaberi et que vous découvrez le changement de visage. Vous voulez dire le temps, le temps mais qui, a, qui, a, été bien sûr, utilisé pour, faire ces réalisations. Mais c'est formidable. La tribune de Tilaberi, c'est la, plus belle tribune du Niger. Il n'y en a pas, même à Niamey. C'est la meilleure tribune. Ouais. Et les infrastructures qu'on voit dans la ville, je vous dis, moi je lui tire mon chapeau. Parce que Tilaberi aujourd'hui, elle a changé. Elle est devenue une belle ville. On a envie d'aller habiter à Tilaberi. Vous savez, avant on disait que non, Tilaberi c'était une ville morte. Mais c'est fini ça. Avec ce qu'on a vu, avec l'aéroport, où l'avion du président a atterri. Elle est ravivée. Mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Je vous assure, Tilaberi eh, va revivre non seulement sur le plan touristique et sur le plan économique. Elle est vraiment Tchandalo, ça c'est vrai. Hassan Boukar, vous êtes avec nous oui. Oui, ah, le 18 décembre, c'est aussi l'occasion de distinguer des travailleurs pour services rendus à la nation. À ces propos, quelles est ou quelles sont les décorations qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi euh, Là, je pense que moi, je l'ai suivi en partie en mouvement, mais je pense que, par exemple, pour certains artistes comme M. Maman Sani, je pense que c'est bien que les artistes soient, décorés. Euh, en tout cas, je, me dis c'est quelque chose qui se fait chaque année, mais c'est bien que la République euh, soit reconnaissante vis-à-vis au moins de certains de ces fils qui se distinguent, quel que soit le domaine dans lequel euh, ils travaillent et tout ça. Donc voilà quoi. Donc euh, bon, pour moi, c'est tout le discours hein, dans son ensemble qui m'a marqué. Je m'attendais déjà à ce que le président puisse évoquer la question de la sécurité. Bon, là, je n'ai pas été déçu. Je pense que c'est un des points les plus importants auxquels il est arrivé à travers son message à la nation. Donc voilà, donc euh, je pense que euh, pendant cette période, euh, presque personne dans la tête euh, à la fête hein. au lendemain de ce deuil qu'on a observé. Je pense que certains l'ont rappelé. C'est qui intéressait les gens, c'était bon. La République ne s'agenouille pas devant les terroristes. Il fallait vraiment des actes qui montrent que malgré ce qui est arrivé, on va organiser une fête dans les euh, décorer les gens comme c'est une tradition, un message à la nation, un défilé militaire, etc., etc. Et donc euh, tout cela doit se faire. Euh, mais euh, je pense que l'esprit des gens était surtout à ce deuil, euh, ne serait-ce qu'à de la proximité entre une et la ville. Donc voilà, moi je pense que je pensais encore beaucoup à ce qui s'est passé à euh, pendant cette période du, décembre. C'est vraiment pour moi une fête dans une période, dans un contexte particulièrement difficile qui s'est fait. Et donc, peu de temps, on vraiment le fait à la fête. Quoi. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y a des personnes méritantes euh, qui auraient été oubliées par ces décorations je pense qu'il y a beaucoup de milliers. Bon, évidemment, on ne peut pas décorer tout le monde. Euh, je pense que quel que soit le domaine que l'on prend aujourd'hui. Moi, je pense euh, à des personnes peut-être anonymes. Vous avez des personnes aujourd'hui qui travaillent dans le silence de leur bureau, quel que soit le domaine de l'administration que vous prenez, qui travaillent qui ne volent pas l'argent public, qui se contentent de travailler, qui se contentent de leur salaire, qui veulent respecter les normes, paraître comme vraiment des citoyens exemplaires, mais des gens très peu connus parce qu'ils ne se distinguent pas sur le terrain politique, qui sont rarement sur les médias. Il y a ces personnes anonymes qu'on aurait pu vraiment valoriser, décorer, dire aussi que leur sacrifice pour être juste, c'est vraiment quelque chose que la République reconnaît. Et donc moi j'ai vraiment envie de voir à travers les feux du décembre des personnes totalement armées, reconnues pour leur respect de la République, reconnues pour leur respect des textes de la République, qui se battent contre la corruption, qui se battent contre le clientélisme et qui restent vraiment des travailleurs modèles. J'aurais bien voulu un jour voir ces personnes décorées à l'occasion du 10 décembre ou d'une autre fête nationale. Euh, euh, les décorations qui m'ont particulièrement marqué, c'est à deux niveaux. Hmm. Il y a la décoration de la chanteuse euh, Zabaya. Zabaya. Hum. Euh, ça m'a beaucoup touchée. Et surtout quand elle a entamé le refrain euh, devant pour, son âge, quand même, elle mérite, elle méritait vraiment cette décoration. Il y a également Momensani, Je pense que de tout le temps, ce sont peut-être ces refrains qui passe aujourd'hui comme générique à, la radio nationale. Donc, il l'a vraiment mérité. Si c'est mérité, les deux là m'ont vraiment, le président de la République m'a vraiment convaincu euh, en donnant ces décorations à ces deux personnes. Hum. Vraiment, hum. parce parce qu'on ne peut que souhaiter ainsi. Et comme l'a dit euh, Hassan, Boukar. Hassan je pense qu'il y a d'autres personnalités qui méritent d'être aussi décorées. Par exemple, quand on regarde avec cette situation sécuritaire, les enseignants qui sont en train de se battre au niveau encore de certaines régions du pays, hum. à savoir qui sont dans des zones d'insécurité qui vont matin et soir malgré les, les menaces. Malgré les menaces qui, qui, vont pour dispenser les cours à ces élèves, je pense que également ces enseignants devraient être dans ces décorations. Hmm. Il y a également, par exemple, la santé, parce que c'est des zones aussi à risque où ces médecins, ces docteurs se, déplacent, euh, sont en train de lutter pour euh, euh, la survie de nos citoyens qui sont dans ces zones. Hmm. Je pense que eux aussi devraient mériter de ces décorations. On ne peut pas décorer tout le monde, mais c'est un souhait peut-être pour les autres euh, éditions à, venir, pour qu'on pense également à ces genres de catégories de, personnes, de personnes, anonymes. là, Suleiman Mahamadou. Oui, si j'ai bien compté, c'est 21 personnes dans les 21 millions. C'est donc une personne pour un million quoi, de Nigériens. <laughs> C'est-à-dire que franchement, je pense qu'en fait, mm. euh, en principe, techniquement, au niveau de la chancellerie, on met un comité mm. pour désigner dans tous les domaines les gens, en tout cas. Parce que c'est quoi C'est par rapport vraiment à la République. Et le président justifie pourquoi un tel échoua Donc, euh, j'ai entendu effectivement un ancien à la retraite, le directeur de collège de Mariama donc, bref, euh, je pense tout de suite, puisqu'on n'a pas parlé de, à, nos confrères, Ramoto Keita, qui est cinéaste, qui a fait vraiment aussi, qui a parlé du Niger au niveau, les gens ignorent justement euh, absolument ce qu'elle fait pour le Niger. Euh, notre doyen, Maman de qui, en réalité, les gens ne voient que peut-être son rapport avec la 7ème République. <laughs> Mais nous, quand on était petit quand vous prenez aujourd'hui, aujourd'hui encore, le grand reportage de Télé Sahel, Maman fait partie des plus grands reporters de, de, de, Télé Sahel. Il a formé des, des, journalistes, en tout cas, à l'IFTIC. Donc, donc tout cela, en réalité, je pense que euh, faut tout simplement dire que chaque année, on le fait. De, temps en temps. Maintenant, justement, c'est que la critique des citoyens, effectivement, on voudrait effectivement davantage moi, je l'ai dit hier, euh, j'ai dit, on voudrait effectivement que, qu'on voit vraiment un peu plus de gens qui sont pas connus, mais qui font de bonnes choses quoi, pour mmh. le pays. Gare rapidement, nous allons passer au dernier point. oui, puisque les, mes confrères ont déjà tout dit concernant ceux qui ont été décorés, mais euh, euh, j'ai quand même une petite déception par rapport à des personnalités que j'aurais aimé voir décorer, hmm. mais que je n'ai pas vu. Je prends par exemple un seul exemple, même dans le domaine du cinéma. Je n'ai rien contre Mar euh, Ramat hein, je n'ai rien contre elle. Mais pour moi, Mustapha Diop méritait une décoration. J'ai été étonné. J'ai été étonné parce que je pensais que Mustapha Diop a été décoré une fois. Et quand je demandais à quelqu'un, il me dit non, il a failli être décoré du temps de Tanja. Et il pensait qu'il a été décoré. Et j'ai été vraiment surpris de constater que Mustapha Diop, celui qui a réalisé Le médecin de Gafiré, un film qui a fait connaître le Niger, ce, monsieur-là, qui est toujours dans le domaine du cinéma, ce monsieur-là n'a pas été décoré. Mm. Ça, ça m'a étonné. Mm. Je reste sûrement fait, mais je suis convaincu que à la prochaine édition, Mustafa Diop aura son prix, c'est sûr. Il y a d'autres personnalités aussi, mais vraiment ce qui m'a ému, le prix de euh, euh, euh, comment on appelle ça là, le, pianiste, le pianiste Mamansani, oui, les militaires qui ont été décorés et le doyen de la faculté des sciences de la santé, dont on dit beaucoup de bien. Monsieur Rachid, mm on dit beaucoup de bien de ce monsieur et vraiment j'étais content qu'il soit décoré. Vraiment, c'est des bonnes décorations, mais à l'avenir, c'est vrai pour la prochaine édition, il faut essayer de consulter des personnes parce qu'il y a des personnes qu'on oublie et j'ai dit que Mustafa Diop fait partie de ces personnes qu'on a oubliées. On a oublié. Euh, nous terminons avec euh, le vote de la loi des finances 2020 intervenu jeudi dernier, jeudi 12 décembre passé à l'Assemblée nationale. Le budget 2020 s'élève à 2270 milliards de francs CFA avec une hausse d'environ 5% par rapport au budget de l'année 2019. Alors, euh, Hassan Boukar, vous êtes avec nous quelles sont les particularités que vous notez sur cette loi budgétaire de 2020 par rapport aux, précédentes euh, Et la question aussi de l'allocation par secteur ou, chapitre les efforts conséquents euh, fournis et insuffisance. Merci, merci à la fin. Le premier constat que j'ai fait, il faut peut-être euh, mettre les choses à jour, c'est que le budget 2020 est en baisse par rapport au budget de l'année dernière. Euh, le projet a été bâti sur la base de 2266 milliards, pendant que la loi des finances 2019 était à 2157 milliards. Il y avait, comme vous l'avez dit, à peu près 5% d'écart au profit du projet 2020. Mais, euh, comme vous le savez, récemment, le gouvernement a introduit un deuxième collectif budgétaire pour l'année 2019 qui porte le budget 2019 à 2274 milliards. Donc, du coup, euh, plutôt, le budget 2020 est en baisse, donc euh, c'est des choses qui, ne sont pas très courantes. Maintenant, du point de vue du contenu, pour moi, il y a quelque chose qui est resté presque permanent, c'est la place importante euh, que garde le secteur de la sécurité et de la défense. Vous êtes un pays en guerre, évidemment, c'est des secteurs qui sont très budgétivores. Euh, certains vous disent la, la, sécurité n'a pas de prix, donc euh, il faut travailler à ce que ce secteur ait les moyens pour que la défense de la, de la du territoire soit une réalité. Euh, en parallèle, au moment où justement les ressources vont en priorité dans ce secteur, vous vous rendrez compte que les secteurs sociaux n'ont pas nécessairement ce qu'ils attendent. Par exemple, le ministère de l'Agriculture de l'Élevage, les deux réunis sont à seulement 80 milliards. Euh, même s'il y a des choses qui regardent le secteur dans d'autres institutions, je pense qu'on aurait pu faire mieux pour ce secteur-là. Euh, on sait aussi que le secteurs sociaux, euh, il y a des engagements chiffrés qui sont pris pour le secteur social, que ce soit la santé, l'éducation. On sait maintenant que ces engagements ne sont pas pris. Je veux simplement rappeler que le ministre des Finances lui-même euh, à l'occasion du vote du projet de loi de fin 2020, a confirmé que même si les chiffres ont bougé, mais les engagements n'ont pas été pris, notamment celui d'allouer le quart du budget à l'éducation et euh, au moins 10% du budget au secteur de, la santé. Donc ça, on ne l'a pas, on l'a pas obtenu. Donc voilà. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs qui restent toujours à la traîne. Euh, le ministère de la Justice, vous n'avez pas encore 1% du budget de l'État euh, à au ministère, pas seulement au ministère, y compris les cours quand vous rajoutez, hein, cours euh, des comptes, cours constitutionnels, conseil d'État, etc. Vous avez à peine 0,7% du budget national. Ça montre qu'il y a des secteurs pour lesquels euh, on s'attend à beaucoup plus d'efforts de la part de l'État mais pour lesquels on ne voit pas suffisamment force. C'est vrai, vous l'avez rappelé, la, défense, en dehors de la défense, quel autre secteur, en tout cas, euh, bénéficie d'une grande attention Je pense que les infrastructures ont toujours occupé une place de choix. Vous verrez par exemple que le ministère de l'équipement fait partie des ministères les plus, les plus dotés, mais vous verrez aussi par exemple dans le budget de la présidence qui va au cours de, euh, de 139 milliards de, de, de francs CFA, vous verrez que euh, deux programme occupe l'essentiel du budget. Vous avez le MCC et le barrage de Kandaji. Les deux se distinguent justement par des investissements sur le plan des infrastructures. Il y a le barrage pour le programme Kandaji, mais il y a aussi des investissements, par exemple, sur les aménagements hydroagricoles et autres pour le MCC. Voilà, donc les, infrastructures, c'est des choses sur lesquelles euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. Mais dans le secteur de la santé, je me rends compte que euh, on est presque en train d'abolir la gratuité des soins de santé sans qu'on ne voit ce qui le remplace. au studio. Gare Amadou. Oui, Je suis entièrement d'accord avec toutes les analyses de, Hassan Boukar. Et justement, je pense que euh, euh, cette question du budget, euh, le fait que les secteurs sociaux de base soient un peu délaissés, dû au fait que c'est, est, on, est, on, est, en situation de guerre, peut être compréhensible. J'aimerais quand même tirer mon chapeau au, groupe alternatif qui fait chaque année ce qu'on appelle le, budget citoyen. C'est-à-dire que les gens viennent, n'est-ce pas Ils débattent sur le budget point par point. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet aux citoyens de comprendre. Donc Hassan Boukar est bien sûr, Bien sûr, mm. c'est extrêmement important mm. que les gens puissent s'approprier le budget le disséquer vraiment. Ça me fait de la peine que le secteur social de base soit délaissé, mais je dis, je comprends qu'on est en situation de guerre et c'est normal quand même qu'on puisse investir beaucoup pour assurer notre sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Euh, là, euh, oui, euh, ce que je retiens justement, c'est qu'on se rend compte effectivement ces dernières années, la sécurité occupe franchement une place importante au niveau du budget. Mais là où se trouve le problème, c'est que moi, à mon humble avis, il va falloir que le président, en tout cas, euh, qu'on soit plus regardant. L'argent investi puisse vraiment descendre jusqu'à soldats. Parce que c'est un vrai problème. La question de la défense. Il y a des gens, que ce soit des officiers généraux ou bien les au niveau du ministère, ces gens-là, c'est eux qui profitent de, cette, de, ce, de, ce, budget. Il va falloir que véritablement les soldats leurs conditions de vie sur le terrain, mm. On nous dit que chaque semaine, l'argent qui sort au niveau de, de, ministère de la Défense, mais cet argent-là, quand vous causez avec les soldats, effectivement, les gens pensent que euh, euh, l'argent qui est affecté ne descend pas, justement, n'est pas utilisé, disons, rationnellement. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on regarde le, contexte. Parce que c'est seulement le jour, effectivement, qu'on oh, arrive à avoir un peu de sécurité le budget de la, sécurité va descendre. À ce moment-là, effectivement, les secteurs sociaux de base vont profiter. Parce que c'est une réalité. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, tout est pris en otage. Hum. Le président de la République, en tout cas, l'autorité qui doit veiller justement à ce que cela soit, que vraiment, franchement, de ce point de vue-là, qu'on soit très, très vigilant, que vraiment l'argent dans la sécurité puisse être Utiliser efficacement. Mm. Je, me souviens d'un article de Jeune Afrique qui dit que, en fait, a priori, euh, vraiment, ils l'ont décrit. C'est-à-dire qu'ici, en tant que presse, au niveau donc, la défense et la sécurité, nous sommes souvent, malgré nous, on a des informations peut-être qu'on ne pourra pas exploiter. Mais Jeune Afrique dit véritablement que ce soit ici, au, Niger ou bien au Mali, comment en fait, l'argent de la sécurité est disparu entre les officiers généraux euh, euh, et les, membres du gouvernement, en tout cas les gens du ministère de la Défense. Hmm. Donc je pense que franchement, vraiment, il faut le dire que véritablement, c'est une attente en tout cas citoyenne. La situation étant grave, il va falloir qu'on soit plus regardant franchement. Euh, Gareth, c'est vrai ce que Suleiman dit. il faut que l'État franchement, ait un œil sur ce terrain là Est-ce que les soldats reçoivent exactement ce qu'ils doivent recevoir comme de Ceux qui sont à Difa, ceux qui sont au nord, ceux qui sont partout. Est-ce qu'ils le reçoivent Il faut mener cette enquête-là. Maimouna Diado, vous voulez ajouter quelque chose Nous terminer. Oui, bon, en fait, ce que je voudrais ajouter, ils l'ont dit. Hmm. Il faut que ceux qui font la lutte, ceux qui sont sur le terrain, bénéficient de ce fonds-là. Mais s'ils ne bénéficient pas de ce fonds-là, comment est-ce que vous voulez que des gens comme ça, qui ne sont pas, en fait, aussi euh, moralement euh, préparés, physiquement préparés, et qui ont laissé des familles, peuvent faire le combat ça ne peut pas se faire. Merci Memouna, nous sommes au terme du forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Gary Amadou, journaliste du quotidien La Nation, Maimouna Diado, rédactrice en chef de la radio et télévision Tambara, Elaj Suleiman Mahamadou, journaliste du journal en ligne Niger Inter et Hassan Boukar, journaliste de la radio alternative au téléphone avec nous. Présentation à Sainte Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivies de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en Hausa et dimanche, c'est lui en Zarma. Les deux traiteront des prestations ces dernières années de l'équipe nationale de football du Niger, le MENA.